Bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h15 à Niamey. C'est l'heure de notre émission hebdomadaire, le Forum de la presse de Studio Kalongou. Un rendez-vous avec euh, nos confrères pour le décryptage des faits ayant marqué la semaine qui s'achève. Pour ce vendredi 13 décembre, nous allons tout d'abord parler de l'attaque mardi 10 décembre à Châteauman, près de Terra, dans la région de Tilaberi, qui a causé le décès de 10 soldats et 7 autres blessés selon l'armée nigérienne. Nous allons aussi faire le point de la situation des droits humains au Niger à l'occasion de la journée des droits de l'homme célébrée le 10 décembre. Enfin, on évoque la montée des prix de l'oignon et de l'huile constatée ces jours sur les marchés de Niamey. Pour en débattre, je reçois Ousseini Issa, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Hassan Boukar, journaliste à la radio Alternative, bonsoir. Bonsoir. Et Memouna Diado, journaliste indépendante que nous attendons d'un moment à l'autre. Je suis Nafis Adam Sirfou à la modération. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir chez vous. Dix militaires nigériens ont été tués et sept autres blessés au cours d'une attaque terroriste qui s'est produite à mardi à la localité de Chatouman, près de Tera, de la région de Tilaberi, a rapporté mercredi l'armée nigérienne dans son bulletin d'information. L'information donc a été donnée sur la RTN. Alors, Hassan Boukar, quels sont les compléments d'information que vous détenez? Écoutez, euh, il y a eu sur cette attaque euh, beaucoup de polémiques. Mm-hmm. Il y a eu euh, une communication qui a été faite via les réseaux sociaux, via certains médias, mm-hmm. ce qui a annoncé un bilan beaucoup plus lourd. Et donc là, la partie gouvernementale a réagi en faisant une annonce et qui donne les chiffres que vous avez précisés de, 10 personnes tuées. Mm-hmm. Alors, ma pensée va vraiment aux familles des victimes. Ah, à toutes ces veuves, à tous ces orphelins, n'est-ce pas, à tous ces soldats qui se sacrifient au prix de leur vie pour défendre notre territoire et qui rencontrent la mort. C'est vraiment à ces gens que je pense. Mm. Maintenant, sur la, sur la communication, je pense que euh, dans toute guerre, il y a une guerre de communication. communication, effectivement. Écoutez tout ce qui se passe sur l'Ukraine et la Russie. Alors, euh, tous les jours, l'Ukraine dit la Russie a envoyé 15 drones, on a mm-hmm, battu 14. Mm-hmm, pour dire quand même euh, que nous sommes performants, etc. Donc mm-hmm. euh, là, sur la question de la, de la sécurité, c'est un domaine extrêmement sensible mm-hmm, mm-hmm. et nous sommes dans un contexte où les, États ont perdu le monopole de la communication il y a peut-être 30 euh, ans, la communication, elle était beaucoup plus officielle. Tout le monde écoute la radio nationale, on lit le journal public, etc. Aujourd'hui, euh, vous avez des gens qui sont sur place, la monde, chose qu'ils voient, ils communiquent, euh, par, les réseaux mm-hmm. sociaux. Mm-hmm. Donc les États ont perdu ce monopole. Et vous avez des groupes très puissants qui ont développé la communication, qui ont une couverture extrêmement large, qui font que les sources gouvernementales, même lorsqu'elles sont là, elles ne sont qu'une source parmi tant d'autres. Donc le temps où euh, l'information officielle fait autorité, c'est là malheureusement. Mais aujourd'hui, comment nos autorités doivent s'y prendre Comment elles peuvent mieux communiquer pour contrer ces fausses euh, euh, informations Encore une fois, aujourd'hui, quand on regarde le, développement formidable que les réseaux sociaux ont connu, pour les États, ils ne peuvent pas les contrôler. La mm. preuve, même là où ces, moyens de communication ont été développés, les gens s'adaptent, ils n'ont pas les moyens de les contrecarrer. Mm. Ça va être extrêmement difficile aujourd'hui mm-hmm. de vouloir contrecarrer les, réseaux sociaux. Maintenant, moi je comprends la position du gouvernement. Les questions de sécurité, elles sont sensibles. et dans ce cas, c'est davantage plus sensible. Mm-hmm. Pourquoi mm-hmm. Que ce soit au Niger, au Mali ou au Burkina, l'armée a pris le pouvoir en accusant les régimes civils d'être incapables de faire face à l'insécurité. Donc si aujourd'hui on dit, malgré la présence des militaires au pouvoir, il y a énormément de dégâts, beaucoup de soldats qui tombent, que l'insécurité est persistante. Évidemment, on dit aux militaires, mais la raison pour laquelle vous êtes là, vous ne l'avez pas encore réglée. Parce que les militaires ont dit, les civils ont du mal à bien gérer, nous on vient pour bien gérer. Et donc si on leur dit, malgré votre présence, le problème continue, eh bien, c'est comme si on leur dit finalement, vous n'arrivez pas à faire ce pourquoi vous êtes là. Donc euh, l'information est très sensible et c'est mm-hmm. pour ça que y a des réactions, pas seulement au Niger, hein. je vois au Mali ou au Burkina, dès qu'il y a des informations qui sont communiquées sur les questions de sécurité, il y a tout de suite une réaction du gouvernement. Mm-hmm. Mais euh, l'autre difficulté, c'est que nos administrations ont leur lenteur elles ont leur méthode de communication. Mm-hmm. Or, les réseaux sociaux, c'est instantané. Cas, cette que, voilà, quelqu'un qui est dans l'environnement, mm-hmm. dès qu'il voit, il l'envoie et ça fait le tour du monde. C'est-à-dire, mm-hmm. avant que l'armée, les structures administratives se réunissent pour faire le bilan, dire quelles sont les informations qu'on a, faire un communiqué, l'information a déjà fait le tour du monde. C'est ce qui a amené donc l'autorité à faire le démenti sur la télévision donc quand nationale un démenti, euh, quand je regarde aujourd'hui, parfois malheureusement les gouvernements sont dans une communication des réactions. Mhm. C'est-à-dire que vous n'avez pas eu le temps de faire votre propre communication. Quelqu'un a communiqué à votre plan, donc vous, vous réagissez. Mhm. Donc vous faites une communication, des réactions, et parfois vous avez peu de manœuvres. C'est-à-dire que au lieu de faire votre communication, parfois vous êtes réduit à démentir ce que d'autres ont dit. Donc ça fait euh, un contexte vraiment difficile, mhm. mais dans tous les cas, que ce soit 10 personnes ou bien plus, c'est quand, même... difficile pour ce mhm. pays. Ça montre quand même qu'encore, nos, nos enfants, nos jeunes frères tombent sur le terrain de mhm, combat pour mhm. défendre la République. Et c'est extrêmement difficile. Et je finirai par ce point. Rappelez-vous euh, de ce qui s'est passé après l'attaque des Tamou. Mhm. Vous vous rappelez euh, toute la polémique qu'il y a eu. L'Assemblée a communiqué, le gouvernement à l'époque a communiqué, la Commission nationale des droits humains a allée sur le terrain. des Et donc c'est pour vous dire que c'est des questions extrêmement sensibles sur lesquelles les positions officielles, malheureusement, aujourd'hui, elles ne sont qu'une source parmi tant d'autres. Mhm. C'est-à-dire qu'elles ont du mal à avoir l'autorité qu'elles ont eu de par le passé. Et je pense que c'est ça qui fait la difficulté pour le gouvernement. Mhm, mhm, Alors, une nouvelle attaque où des soldats sont tombés, Ousseini, comment avez-vous accueilli cette information Bon, ben, je vais abonder dans le même sens que Bouka. Ce qui se passe, quand il y a des problèmes de cette nature-là, il s'agit d'une question d'insécurité. La moindre chose, la réactivité, au niveau gouvernemental. Il faut dire, il y a eu telle attaque et reconnaître qu'est-ce qui s'est passé. Ça va éviter toute polémique. Mm-hmm, mm-hmm. Mais quand on se met dans la logique de ne pas communiquer, de dire aux gens, voilà ce qui s'est passé. Peut-être pour attendre de faire le décompte ah, euh, des, des, L'État, le gouvernement, ils sont sur le terrain, non On est capable de faire moi, je ne dis pas de dire, voilà, machin, il peut même masquer, maquiller un peu le, comment les dégâts. Mais le plus important, c'est de dire aux populations, voilà ce qui s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Et actualiser les chiffres après, oui. Et Réactualiser, si vous voulez, les chiffres. Hmm. Mais se taire, en considérant que non, il ne faut plus communiquer autour de ces questions-là. C'est des questions qu'on vit au quotidien. Il y en a des attaques, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle même plus. Alors, pourquoi Juste la semaine dernière aussi, euh, un véhicule de transport public a été victime d'attaque dans cette même zone à un véhicule qui, je sais pas, qui a coûté la vie à 21 personnes. voilà. Il faut au moins se dire aux citoyens, mm. aux populations, voilà ce qui s'est passé, parce que quand même, il y a des autorités qui sont dans la zone, qui sont capables, qui, connaissent qu'est-ce qui s'est passé, qui sont informés de ce qui s'est passé et qui peuvent donner l'information, mmh. cette information-là. Ça rassure les populations. Mais vouloir taire les informations en se disant que, bon, quand on va taire, on va considérer que c'est fini. Non, c'est pas fini. La preuve, la preuve, c'est qu'on vient de vivre. Mhm. Ça a créé une grande polémique. Une polémique qui, des fausses informations sur le nombre de soldats qui n'a pas lieu d'être. Mhm. Si le gouvernement communiquait, si les autorités officielles donnaient, l'information de manière instantanée, c'est-à-dire ça se passe aujourd'hui, au plus tard, le demain matin, les gens sont au courant qu'il y a eu une attaque. Moi, je me dis, ça va empêcher ce que Boukab dit. Que, parce qu'aujourd'hui, euh, on ne contrôle pas euh, comment s'appelle euh, les, réseaux, sociaux. Les réseaux sociaux, on n'a pas, ils n'ont pas le monopole. Le monopole de l'information n'appartient plus à mhm. personne. Mhm, mhm. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, personne n'a le monopole. Parce que quelqu'un peut être sur le terrain. Immédiatement, Peut-être qu'il est dans la zone, il a su ce qui s'est passé. Quelqu'un ne peut pas l'empêcher de poster et ça va faire le tour du monde. Et alors, est-ce qu'on doit continuer comme ça Moi, j'ai dit, ce qui est intéressant, c'est que quand l'État immédiatement réagit par rapport à ce genre de choses, c'est que ça va éviter mhm. toute forme de polémique parce que c'est la source officielle comme ça. Voilà ce que l'État a dit. Maintenant, ce que les gens vont mettre sur les réseaux sociaux, ça, c'est autre chose. Voilà un peu le conseil. Aujourd'hui, face donc à cette situation où ces attaques euh, sont, continuent, euh, les défis se posent à notre armée nigérienne. On sait comment ces, ces, bandits, moi je ne les appelle pas djihadistes, hein. c'est des bandits. C'est des bandits qui ont été armés pour déstabiliser cette zone-là pas seulement la zone, y compris même à Difa, tout ce qu'on connaît à Difa, tout ce qu'on connaît. Et ça s'est disséminé jusque dans d'autres régions, mhm. quand même, comme Maradi, comme euh, Tawa, comme euh, Agadez, bon, c'est comme, Dosso, où on vit des situations comme ça. Mhm. C'est parce que tout simplement, déjà sont là, peut-être les Occidentaux, Machel, la France et tout et tout. Le temps qu'ils ont eu à s'imposer ici, à s'implanter ici, mhm. ils ont pu faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils ont mis en place des mécanismes de formation, mais de ravitaillement également. Parce que moi, la question que je me suis toujours posée, comment ils peuvent trouver les motos C'est une question à se poser. Comment ils peuvent trouver les, comment ils peuvent trouver les armes mm. Comment ils peuvent trouver les, munitions mm. L'armée euh, essaye de faire ce qu'elle peut faire. Mais le problème, c'est que le mal est profond. Le mal est profond. C'est en profondeur le mal ils ont eu le temps et actuellement encore, on ne sait même pas par comment ils arrivent à se ravitailler. Mhm, mhm. N'est-ce pas Sinon, c'est des territoires qu'on connaît. On a connu des rébellions dans ce pays. <laughs> Les défis donc sont énormes aujourd'hui pour notre armée nigérienne euh, face à cette situation. Mais on a une nouvelle attaque dans la région de Telabéry, plus précisément vers Tera, qui a donc coûté malheureusement la vie à nos soldats. Quelle est votre réaction non, il faut. La situation sécuritaire préoccupe en tout mm, cas. Mm, mm. Je fais partie des, des, personnes qui se préoccupent de cette situation. On dirait que euh, celui qui vient attaquer, celui qui vient attaquer a plus de renseignements sur la manière d'attaquer le temps, le jour ou bien que ce soit l'heure à laquelle il faut attaquer. Donc ça veut dire que ils peuvent, les villageois peuvent euh, dire qu'il y aura, euh, ils ont peut-être, elles ont, euh, la population a aperçu des hommes à moto. Ou bien ils peuvent venir pour menacer un village pour dire que demain on y sera là. Mais le problème c'est qu'ils ne seront pas là demain. Ils vont attaquer un autre village qui n'a pas été averti hmm. de leur arrivée. Donc, ça veut dire que non seulement ils arrivent à mettre l'armée et, à, se focaliser sur, par exemple, le village qui a été menacé d'attaque, alors que de l'autre côté, ils changent de stratégie pour attaquer. Donc, un autre à vous entendre, il faut une collaboration aussi de la population. En fait, il faut une collaboration de la population. Hmm. Et on l'a toujours dit, hein, en fait, le mal est profond, comme il vient de le dire. Parce que nous, euh, véritablement, je rejoins ce que Hussein a dit, ce ne sont pas des djihadistes. Hmm. Ce sont vraiment des bandits. Aujourd'hui, non seulement les populations ont peur de collaborer avec les forces de défense et de sécurité, mais ils collaborent avec l'ennemi parce que tout simplement, ils pensent que en collaborant avec l'ennemi, ils seront en sécurité. Parce que celui qui refuse de collaborer ou de contribuer, il sera menacé, menacé mm-hmm. et non pas lui seul, mais c'est toute sa famille mm. qui sera aujourd'hui décimée. Donc, il y a une peur bleue de ces populations face à ces terroristes-là, mm-hmm. à ces bandits armés. Mm-hmm. Mm-hmm. Maintenant, on l'a toujours dit, hein, notre armée, vraiment, on l'encourage. L'armée est en train de faire ce qu'elle peut faire, mais il faut redoubler euh, de vigilance. Il faut essayer d'étudier à leur manière également. La même manière que ces bandits sont en train d'étudier le terrain, ils savent déjà où est-ce qu'il faut se positionner pour pouvoir attaquer. Donc je pense aussi que l'armée peut mieux faire en étudiant l'ennemi plus près. Mhm. Donc euh, vraiment, c'est également renforcer la sensibilisation au niveau des populations. Mhm. Leur donner cette possibilité quand quelqu'un, un villageois ou bien euh, euh, une personne communautaires viennent vers, euh, l'armée, mhm. que cette personne se sente d'abord en sécurité. Mhm. Parce que quand il n'y a pas cette sécurité que cette personne ressent en venant vers l'armée pour pouvoir dénoncer et dire ce qu'il ce a vu, ça veut dire qu'il y aura toujours euh, une méfiance qui est là mhm. entre population et les forces de défense. Et tant qu'il n'y aura pas, euh, on, ne pourra pas casser, tant qu'on ne casse pas la méfiance entre forces de défense et de sécurité et les populations, ça veut dire qu'il euh, y aura toujours en fait ces genres dattaque là Et nous déplorons la manière dont l'information est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Une mhm. information, on l'a toujours dit, quand c'est sur les réseaux sociaux, faites très attention. Mhm. Ce n'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qu'on peut consommer. Mhm. Non. Attendez d'abord que l'autorité puisse faire son communiqué et que l'autorité aussi. C'est on est dans un dans une période euh, où on n'a pas droit à cacher l'information. Mhm. Comme l'a Oui, même si vous voulez, vous ne voulez pas communiquer, vous ne voulez pas dire comment les choses se sont passées, Néanmoins, dites, quelque, chose, sur l'attaque. Ça va pour les parents, les familles hein. qui ont perdu mm-hmm, mm-hmm. l'un de leurs. Parce que des fois, l'information fuse de ce mm-hmm, côté. C'est les personnes, les membres de la famille qui ont perdu leurs enfants qui aussi racontent des histoires sur ce qui est, ce s'est passé. Donc, vraiment, je me dis que quand l'information, quand vous donnez, n'attendez pas le bulletin de la semaine. Non. Communiquez rapidement parce qu'on a vu que les dix dernières années, c'était ça aussi le problème. Mais maintenant, il ne faut pas qu'on revienne encore dans, la même situation. Alors, les défis sont énormes et vraiment paix aux âmes des soldats qui nous ont dévancés. Nous allons observer une courte pause. Le mardi 10 décembre a été célébrée la journée des droits de l'homme. Selon les Nations Unies, elle est célébrée chaque année pour marquer l'anniversaire de l'un des engagements mondiaux les plus importants qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, un document fondateur qui a proclamé les droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain sans distinction au Niger. Aucune, autant pour moi, et au Niger, les organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie code dans une déclaration indique un projet en matière des droits humains, mais beaucoup reste à faire. Le secrétaire exécutif national du Code, Maître Hamani Asman, est au micro de Alamin Ouachar. L'exercice de ce jour, c'est de faire le bilan de la mise en œuvre de la DUDH à l'interne. Depuis le 26 juillet 2023, le CNSP a pris les rênes du pouvoir. À travers l'engagement solennel, ce qu'on appelle la proclamation du 28 juillet, le CNSP, notamment son président, le général Chani, a pris l'engagement que l'État Niger souscrit à tous les engagements antérieurs. Donc, ils n'auront pas les engagements. Ces engagements-là, il dit que l'État les va les respecter. Donc, c'est pour cela qu'on a dit, on les a pris au mot pour dire qu'effectivement, on l'a réitéré ça. Certes, on a constaté, notamment dans les droits économiques, sociaux et culturels, la réduction du carburant à la pompe, la réduction de des soins de santé et le même de la tonne de ciment. Et cette catégorie-là est inclue dans la DIDH, dans la Déclaration universelle de l'homme que nous célébrons aujourd'hui. Donc c'est pour dire qu'il y a des progrès relatifs. Par contre, nous nous sommes dit qu'on doit travailler pour que dans les autres domaines où ça, le problème se pose avec acquitté, notamment les droits civils et politiques, c'est-à-dire le fait d'emprisonner certains camarades. La force doit rester à la loi. C'est ça qu'on appelle les droits civils et politiques. Alors, un, progrès, évoqué en matière de droits humains par le Code. Vous, Ousseini, comment vous appréciez la situation des droits humains sur le plan national aujourd'hui Moi, je, suis en train plutôt de m'inquiéter. Pourquoi Par rapport à ces droits-là. Pourquoi alors Parce que le premier droit humain, c'est la liberté d'expression. Hmm. N'est-ce pas hmm l'accès à l'alimentation, l'accès ah à, bah, ceci, à cela. Je suis Hamani, mais Hamani, c'est qu'il a dit. Hmm. Est-ce que le ciment se mange Quand on n'arrive pas à réguler le droit à l'alimentation, hmm. c'est la chose la plus fondamentale, n'est-ce pas Il y a eu sept bon, des actes qui ont été posés, mais quand on n'arrive pas à imposer créer les conditions pour que le citoyen le plus qui a un faible revenu puisse accéder à l'alimentation, moi je me dis quelque part ça pose un sérieux problème. Hmm. C'est bien beau de dire que bon, il y a des avancées. Où sont les avancées quand, on ne me, permet pas de m'exprimer, dit c'est mon opinion que je donne. Vous pensez alors qu'aujourd'hui, la liberté d'expression n'est pas eh, eh, eh, respectée, elle est en, difficulté ici au Niger Notamment dans quel domaine On serait La, liberté d'expression, hmm. c'est ce qu'on est en train de vouloir faire là. Mais <laughs> la, garantie de la liberté n'est pas euh, évidente, hmm. n'est-ce pas hmm. Moi, j'ai dit, il faut créer les conditions, il faut renforcer et tout et tout. Et c'est généralement dans ce genre de contexte qu'on fait des avancées. On ne peut pas dans ce contexte-là, se retrouver dans des situations où on, crie, on fait des prisonniers, comme ça on emprisonne des choses. je me dis, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On veut, quand j'entends les gens parler de révolution, je dis, mais est-ce qu'ils savent c'est quoi la révolution mm-hmm, mm-hmm. C'est quoi la révolution Parce que tout simplement, on a assisté à la montée subite des, organisations, d'organisations qui n'ont jamais milité dans quoi que ce soit. Ils ont trouvé une opportunité pour peut-être se créer et ils sont là et c'est eux qui sont là en train de vouloir créer les conditions pour que on, restreint ces libertés-là. On dit oh, au nom de la Boussani mhm. Mais outre ce droit dont vous parlez, mm. le droit à la liberté d'expression, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les autres droits fondamentaux sont presque effectifs ou effectifs dans notre pays que ça On a fait ça. Le salaire coûte combien aujourd'hui ça dépend. Ça, ça dépend, oui. mais attends, il y a combien de personnes il y a aujourd'hui mhm. Parce qu'à l'époque, on, l'achetait à 11 000. il y a même des endroits où ça se vend à 10 000. Mais qu'est-ce qui a occasionné cette situation Parce que tout simplement, moi je me dis, c'est dans ce genre de contexte, ce qui a occasionné, c'est ceux qui doivent normalement réguler. Parce qu'il faut réguler. Mhm. Il faut réguler et il faut imposer. Il faut imposer aux opérateurs économiques, il faut imposer ça quand ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ces mesures-là, ils ne sont pas capables de le faire, hmm. moi je me dis à partir de ce moment, on ne peut pas venir parler, je ne pas faire un discours pour dire que... Hein, non, hmm. il faut imposer. Il faut imposer parce que le pouvoir d'achat des Nigériens, est-ce que ça, ça, a bougé hmm. Ça n'a pas bougé, ça a plutôt régressé. Alors, quand ce que j'achetais à 11 000, je me retrouve en train de l'acheter à 17 000, 18 000. Ça, ça pose déjà un pour eux. Et il n'y a pas que ça. On voit le riz parce que c'est l'aliment de base le plus euh, consommé. Mhm. Mais il y a d'autres produits euh, qui, qui, qui sont aussi consommés. Est-ce que les gens, ils ont conscience C'est bien beau de dire, ah, voilà, on a fixé tel prix, tel prix. Mais il faut se donner les moyens d'imposer ce prix-là. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui que dans notre société, même la population est consciente des droits dont euh, elle doit jouer Qui ne mange pas Tous les matins. Mhm. Qui ne mange pas où, le ménage qui qui, qui, fait pas. À moins qu'il n'y ait pas d'argent mhm. pour aller acheter les condiments et autres. Mhm. Mais on est dans une situation où aujourd'hui tu peux plus rien faire avec avec le peu que tu as, c'est difficile. C'est difficile selon Mais... Euh, alors vous, Abba, euh, quelle est votre analyse de ces, de droits Sont-ils respectés selon vous Quelle est votre Écoutez, je partage l'inquiétude de, mhm. sur cette question-là. Notamment, il a évoqué la liberté d'expression. Mhm. Ma pensée va à l'endroit de mon collègue Moussa Changari qui est privé de sa liberté. L'acteur de la société Voilà, qui est le secrétaire général de l'Alternative. Mhm. Oui, tout à fait, qui mhm. est privé de liberté depuis plusieurs jours maintenant. Euh, qui a été arrêté de chez lui dans des conditions quasi rocambolesques. Hein. Mhm, Pendant plusieurs jours, sa famille ne savait pas où est-ce qu'il était. Il a fallu des, des investigations après, oui. de son avocat, même pour savoir où est-ce qu'il est. Donc normalement, là où les droits sont respectés, il y a des mécanismes connus par tout le monde où vous êtes convoqué par les pouvoirs mhm, publics mhm. habilités en la matière. Et donc, vous vous rendez en tant que citoyen donc, pour répondre, n'est-ce pas, devant la justice, parce que tout le monde, tous les citoyens sont justiciables. Mhm. Donc, euh, avant lui, euh, d'autres personnes ont été inquiétées. Je pense à Osman Toudou, je pense à des journalistes qui ont été interpellés. Donc, de ce point de vue, ça rappelle en fait des souvenirs un peu difficiles. On a mm-hmm. connu quand même des mm-hmm. moments où mm-hmm. c'était extrêmement difficile. Alors ma crainte, faut pas qu'on retombe sur ce qu'on a connu déjà de par, de le passé. L'autre élément important, euh, tout de suite, on parlait de cette attaque de Terra. Euh, le droit à la sécurité, c'est un des droits euh, les plus importants pour, pour, les citoyens. Aujourd'hui, ce droit à la sécurité, depuis quasiment dix ans, on a du mal à garantir. Vous ne pouvez pas dormir tranquille chez vous. Euh, si vous étiez à Tilabiri, à Difa, dans certaines zones de Maradi, vous ne pouvez pas dormir tranquille vous ne pouvez pas trouver le sommeil. Mm. Donc votre sécurité est menacée. Il y en a qui ont été appauvris. Euh, Ousseini parlait justement de ces conditions difficiles. Vous avez perdu votre champ, vous, n'avez pas suffisamment de sécurité pour aller exploiter vos terres. Mm-hmm. Les biens ont été volés, vous avez bradé ce qui reste. Euh, le droit à l'éducation aujourd'hui, est menacée dans plusieurs pans de notre pays. Certaines écoles ont carrément fermé. Voilà, c'est quand cause de l'insécurité, justement. Voilà. Euh, privant beaucoup d'enfants ou bien d'élèves à, l'éducation. Donc, c'est vraiment un contexte euh, très, très difficile aujourd'hui pour le, pour les droits humains. Euh, évidemment, il y a des choses, on sait qu'il faut encore des efforts. Certaines choses ne peuvent pas se corriger ipso facto, comme on l'a dit. Ça va mhm. prendre un peu mais, par exemple, des questions comme les, les, libertés, les opinions. À mon avis, il y a peut-être moins de tolérance aujourd'hui sur les opinions qui ne vont pas dans le mhm, sens que veulent les autorités. Donc, euh, pour moi, euh, j'ai vraiment peur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments difficiles qu'on a connus pour les médias, les défenseurs des droits humains. Faut pas qu'on retombe sur ces mhm. situations. C'est vraiment inquiétant. D'accord. Alors, Memouna, vos prédécesseurs sont tous inquiets quant à l'effectivité de ces droits humains. Euh, aujourd'hui, quelles sont les attentes de la population quant à promouvoir ces droits et les libertés fondamentales dans nos sociétés les attentes, mm. le c'est de ne pas retomber en arrière. Mm, mm, c'est que les autorités actuelles doivent euh, en fait euh, essayer de, de, respecter ces droits humains-là, de faire en sorte que les populations nigériennes sentent qu'il y a un respect de ces droits humains-là. Quand je dis un respect de ces droits humains-là, ils ont tous évoqué Aujourd'hui, qui n'a pas peur de dire une opinion euh, sur les antennes mm. ou, même en causerie ou mm. même sur les réseaux sociaux, quand ça ne s'y pas mm-hmm. avec les objectifs euh, de nos gouvernants, là tu as peur mm. parce que vraiment tu as peur d'être aussi, euh, tu n'es pas en sécurité, tu te dis que tu n'es pas en sécurité. Donc voilà, il faut essayer de, de faire en sorte que les gens puissent en tout cas critiquer il faut critiquer. Parce que la critique, là, c'est essentiel mm. pour euh, un gouvernant. Ça aide à corriger, ça aide à mm. ce que le dirigeant voit les erreurs qu'ils sont en train de commettre et qu'il faut réparer. Mm. On ne peut pas aller dans le sens seulement de dire que ça c'est bien, c'est bien, c'est bien, alors que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on parle de également... Ne pensez pas aussi que Memoun, il y a un travail à faire au niveau de la population pour qu'elle soit consciente de, Il faut d'abord que, mm-hmm. et, que la population sache d'abord mm-hmm. qu'est-ce qu'un droit. Effectivement, oui. Qu'est-ce que qui est qu'est-ce que un droit pour moi. Mm-hmm, Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux contribuer à ma manière Quels sont d'ailleurs leurs droits aujourd'hui Oui, pour que on puisse, pour que moi-même je puisse contribuer à améliorer ces droits-là quels sont mes devoirs en tant que citoyen mhm. vis-à-vis de mon pays. Mhm. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail mhm. de sensibilisation que les acteurs, je me dis, les organisations de défense des droits humains doivent mettre en avant. Nous sommes 26 millions d'habitants et il n'est pas sûr que tous les, tous les 26 millions d'habitants sachent quand même que aller à l'école, c'est un, droit. L'accès À Manger, c'est un droit. Mm-hmm. La santé, c'est un droit. Prendre la parole, c'est un droit. Mm-hmm. Pour critiquer ou bien pour dire que ça ne va pas, c'est un mm-hmm, droit. Donc, il faut vraiment euh, une sensibilisation euh, en profondeur pour que tout le monde puisse, en tout cas, aider, en tout cas, les droits humains à ne pas les piétiner. Et je vous assure, aujourd'hui, quand vous regardez, il y a des acteurs qui ne peuvent pas aujourd'hui avancer dans, euh, ne serait-ce que donner un bilan de ces droits humains, hmm. le respect de ces droits humains au Niger. Hmm. Mais pourquoi Qu'est-ce qui fait ça Mais parce que tout simplement, je viens de le dire, c'est la peur. Alors, et quand vous regardez il n'y a jamais eu, oh, regardez, le 10 décembre, c'est la, journée internationale des, droits, de l'homme. Mais on, sent, on que en fait, ça a été célébré d'une autre manière, hmm. puisque ça n'a pas été mouvementé, ça n'a pas été animé par des conférences. les acteurs se sont donnés le temps de rester dans leur coin, et pourquoi Parce que tout simplement, quand on vient te chercher chez toi, on te prend. Mhm. C'est aussi une violation des droits humains. Merci il Y a des hein, mécanismes il y a des mécanismes qu'il faut suivre, en fait, mhm. pour pouvoir interpeller, mhm. pour pouvoir mettre un garde à vue euh, X ou Y. Quand on va penser à dire à un. À, un acteur de la société civile de, de, <laughs> de, sortir pour donner un bilan exact de la situation ils ne seront pas capables, en tout cas, de le faire. Oui, <laughs> savez, <laughs> rapidement. Rapidement, justement. Le travail de sensibilisation, là, hmm. moi, je pense que ça a été fait. Hmm. Les organisations ont beaucoup de Travail, À tous les niveaux, hmm. dans les langues et tout et tout. Mais où est le problème Où se situe le, problème Le problème se situe au niveau du respect. En fait, que ceux qui viennent au pouvoir, ils veulent s'accaparer tout. C'est-à-dire que ou tu, tu, tu, tu, regardes dans la même direction que moi, ou tu n'es pas dans la même direction que moi. J'ai les moyens de, de, de, <laughs> Voilà. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas du tout normal. Mm-hmm, mm-hmm. Il faut accepter que les gens s'expriment. Merci. C'est la moindre des choses dans dans un, dans un pays. C'est la moindre des choses. Merci. il faut que les organisations, on dit la sensibilisation là, il faut toujours continuer la sensibilisation. Puisque quand la population quoi, non, quand la population a quoi, il faut également parce que c'est. Merci donc pour ces analyses. Nous allons entamer la troisième, euh, la dernière, la troisième et dernière partie de ce forum. Euh, depuis quelques jours, on constate une flambée des prix de l'oignon et de l'huile sur les marchés de Niamey. Aujourd'hui, il est presque impossible de trouver de l'oignon pour 500 francs. Le sac est revendu entre 70, 80 voire 100 000 francs CFA. Quant à l'huile, le litre se vend aujourd'hui à 1500 francs CFA et le bidon de 25 litres à 31 500 francs CFA voire 35 000 même, euh, et les conséquences de cette situation sont multiples. La pénurie temporaire, augmentation du coût de la vie, une situation qui a suscité des inquiétudes chez la population, notamment ceux à revenus modestes et des revendeurs. On les écoute. Nous n'avons pas assez de loignons. Tous les aliments frais coûtent cher malgré la saison froide. L'oignon, l'ail, le piment frais, tout est cher. Le prix de l'oignon ne fait que grimper. Avant-hier, quand j'étais au marché, la tasse se vendait à 25 000 francs CFA. Que Dieu nous vient en aide. Les pauvres souffrent vraiment. Les produits sont là. Le marché est rempli de produits, mais tout est cher. Regardez le sac de l'oignon, 5 000 et poussière. Ça ne va pas vraiment. L'huile est devenue chère, de telle enceinte que même pour la préparation des mets, on ne peut pas faire comme d'habitude. On met juste un peu. Nous qui faisons du petit commerce de beignets pour vendre dans les écoles, nous faisons face à cette chérité d'huile et cela impacte notre petit commerce. Nous lançons un cri de cœur aux autorités de nous aider à surmonter cette situation. Vraiment, le prix de l'huile a augmenté ces derniers temps. Nous sommes à notre tour obligés de hausser le prix pour le vendre. Le bidon de 25 litres coûte 31 000 francs. D'autres le vendent à 31 500. Le bidon de 5 litres coûte 6 500. C'est le dernier prix. Nous vendons des condiments, donc nous sommes obligés de vendre l'huile. Avant, on trouvait le bidon de 5 litres à 5 750. Alors, Memouna, avez-vous déjà fait le constat Quelle est votre euh, réaction Mais c'est bien normal, J'ai fait le constat puisque je me rends au marché, chaque matin. et quand je pars au marché, on me dit qu'il n'y a même pas l'oignon à 100 mhm, francs. Mhm, mhm. À 500 même, c'est ah rare. Hein, on, y va d'abord avec 100 francs. J'ai le commerçant du quartier. Hmm. tu te pointes là-bas, tu veux au moins un, petit un oignon, une gousse d'oignon à 100 francs pour euh, faire euh, ce que tu as fait, on te dit que non, non, on ne vend pas ça à 100 francs. Et même si on te donne 100 francs, c'est un mhm. petit truc là. Mhm. J'ai dit, mais écoutez, où, se trouve le problème Est-ce que c'est l'oignon d'ici ou bien c'est l'oignon mhm. importé d'ailleurs que nous sommes en train de consommer et qui fait en sorte que euh, aujourd'hui on n'arrive pas à, payer ça. Mais ce qui est sûr, c'est pas seulement l'oignon parce que tout est en flèche. L'huile se vend aujourd'hui le litre à 1500. 1500, imaginez. Ah, le bidon, c'est dans les 7000, 8000, hein? 7500. 7000 pour les 5 litres euh, huile du Nord ou quoi, l'huile de qualité, comme on dit. oui, <laughs> non. en fait, c'est pour dire que c'est ce que les ménagères, en fait, achetaient ça, utilisent euh, le plus souvent. Mm-hmm. Et c'était avant à 5000. Mais mm-hmm. aujourd'hui, c'est grimpé jusqu'à 7000, 7500. Hein, mm-hmm. Aujourd'hui, il n'y a rien de bonne sauce que tu peux faire tu peux aller avec un 5000 francs, tu vas sortir avec un petit sachet noir c'est quand tu vas te rendre à la maison que tu vas constater que tu vas faire des calculs, des calculs pour te demander peut-être où est-ce que l'argent là est passé. Ça impacte, sur, euh, sur, la famille, ça impacte aujourd'hui la population à faible mhm. revenu. Mhm. Aujourd'hui là, il ne faut même pas se, cacher. Hein. Celui qui n'en a pas ou celui qui en a là, on est dans le même pétrin. ça <laughs> veut dire que nous sommes dans la même situation. Alors vous, c'est Abba aujourd'hui, comment expliquer cette situation même Mais je me pose beaucoup de questions. Mhm. Parce que quand même, l'oignon, on en produisait jusqu'à exporter. Dans la région de Tawa, notamment. on notamment. Tawa, même Agadez, on produisait jusqu'à... Mhm. Voilà, on en produisait jusqu'à exporter. Alors la question que je vous pose, est-ce que c'est en lien avec la, la, campagne agricole mhm, Est-ce mhm. qu'on a produit moins C'est vrai qu'il y a Pour l'huile, il est dit que pour l'huile, c'est peut-être un problème mondial même. Oui, c'est mondial puisque même euh, au, Bénin, ça oui, oui. Voilà, un peu. voilà. donc euh, maintenant je euh, euh, sais aussi qu'en partie, les produits qu'on a sur le marché, puisqu'il n'y a pas que l'oignon qui a, augmenté le prix, il y a une partie des produits qui vient aussi de, de, l'extérieur. Mhm. Alors, je rappelle que euh, notre accès le plus proche à la mer est toujours fermé. la mhm. frontière avec le Bénin est toujours fermée. Par exemple, quelqu'un qui commande du, du, fer à béton de Lomé, ça peut prendre du temps, vous avez moins d'inquiétude. Mhm. Vous avez aussi des produits périssables, hein, quand vous les prenez loin, au vu du, mm. trajet, du circuit de par la durée. ça arrive sur le territoire national. Il y a des... Imaginez par exemple quelqu'un qui commande de la, de la tomate qui mm. vient d'ailleurs, avec tous les jours les incertitudes euh, sur, la route, c'est assez difficile. Il y a peut-être tout cela, mais il y a aussi euh, quelquefois une spéculation. Ça peut être artificiel, hein, une spéculation. Les gens veulent euh, profiter d'un contexte et puis voilà quoi. Ils augmentent les prix et euh, les pouvoirs publics, euh, s'ils n'arrivent pas à contrôler, donc ça mhm. va aller dans tous les sens. Par exemple, vous voyez bien, ce n'est pas simplement... Le gouvernement doit interpeller les commerçants, les revendeurs. Nous sommes à côté de... Parce que, dans le temps, en cette hein. période, tous ces produits-là ah, revenaient à moins cher. C'est dans cette période-là que tu manges une bonne sauce, Malheureusement, un bon cette année, on est confronté à cette situation. Là, c'est bien de le rappeler. Mhm. le, ramadan arrive. Effectivement. Ah, quand le ramadan arrive, même en temps normal, c'est la période choisie pour la spéculation. Mhm, mhm, Déjà, les prix sont très élevés. Si on doit aller au-delà de ces prix pendant le ramadan, la situation va être sur le plan social extrêmement. Je pense que globalement, sur le plan économique, il y a des incertitudes. En fait, j'ai l'impression que les gens ont peur. Donc, euh, il faut peut-être euh, davantage rassurer les citoyens. Euh, il faut stabiliser, réussir à stabiliser les prix, etc. Je pense qu'il y a quand même un travail pour les pouvoirs publics. Il faut rassurer les mhm. citoyens. Le gouvernement Parfois, est interpellé alors. Oui, mais euh, c'est également l'occasion de promouvoir ou bien de valoriser notre huile, c'est la question à poser à Ousseini, hein. les alternatives ah, que la population peut suivre face à ce genre de situation aujourd'hui. Eh, les alternatives. <laughs> Quelle alternative Consommons nigérien. Consommons eh, nigérien. Il faut créer les conditions pour que l'huile d'arachide, qui est la meilleure huile, Mais non, mais je veux dire une chose, c'est mhm. parce que tout simplement, il y avait une huilerie ici mhm. qu'on a créée à Matame, c'est dans la région de Zender. Mhm. On a démantelé toutes ces choses-là. On peut continuer, parce qu'on voit un peu la consommation de l'arachide, ce qu'on a fait ici, n'est-ce pas alors qu'à l'époque, la Sonara, là, c'était grâce à l'arachide que cet immeuble-là a été créé. On peut relancer encore ces usines-là, créer les conditions pour qu'on puisse transformer ça, créer une huilerie pour pouvoir fabriquer notre huile. Parce que ce qu'on vend dans les bidons jaunes-là, mm. Personne ne sait c'est quel type d'huile. Il y a des bidons avec cholestérol, d'autres sans cholestérol. Du coup, on ne sait plus. Mais celui qui n'a pas sait c'est quoi cholestérol ah, C'est quoi cholestérol Les gens mangent. Les, gens mangent. Mhm. Est-ce qu'on doit continuer comme ça Parce que c'est des aliments essentiels, n'est-ce pas C'est des aliments de base. On doit pouvoir créer les conditions. Si c'est l'arachide, c'est fabriqué ici, c'est produit ici, l'huile est fabriquée ici, les gens vont transformer oh, ici. Mhm. On peut pouvoir manger ça tranquillement. Et parlant de l'oignon aussi, on euh, pourrait oh, promouvoir le maraîchage, tout ça. Est-ce que les terres sont favorables mhm. L'oignon, on dit que hier seulement... c'est inondation. Eh, eh, eh, j'ai causé avec un petit frère. Oui. Il m'a dit qui, qui, qui, est dans cette activité-là. Mhm. Il m'a dit ça fait 100 000 francs aujourd'hui. Effectivement. Entre 80 000 le sac. Mhm. J'ai dit, mais attendez, euh, c'est localement que c'est fabriqué, <laughs> euh, qu'on produit ça, ou bien ça, vient, on, importe ça. Mhm. Il m'a dit, oui, mais j'ai dit, mais alors, quel est le problème mhm. Parce que quand on parle d'inondation, c'est des histoires. Moi, je suis convaincu, c'est des histoires, c'est plus la spéculation. Les gens ont décidé, il y a une situation qui est là, les gens ont décidé parce que l'oignon, ça ne doit pas coûter cher. Il ma, ma, Madawa, il y a ici, dans toutes les régions du Niger, y compris dans le Bobo là. Oui, Galmi. Galmi. Mais à côté de ça, ici même. partout dans les régions du Niger, on produit des quantités importantes d'oignons. Comment on va me faire comprendre que l'oignon, subitement, le prix ça, grimpe Le grimpe. Parce que je ne peux pas comprendre ça. Je peux comprendre quand il s'agit de produits qu'on importe, des mhm. aliments qu'on mhm. importe, mhm. je peux comprendre. Mais pas ces produits on exporte, y compris dans les pays comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, un peu partout. Comment on va me dire du jour au lendemain Ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens, c'est la spéculation. pour l'instant, la, la, difficulté, mhm. il y a des périodes pendant lesquelles les prix montent. C'est-à-dire que plus on s'éloigne mhm, mhm. de, la période des récoltes, les prix. Mais maintenant, c'est oh, très tôt. C'est ce qu'on disait euh, les années antérieures à cette période, les, tous ces produits euh, donc là, je me demande franchement, qu'est-ce qui se passe sur le marché <laughs> Pour, l'instant, on va continuer à acheter francs, 200 francs d'oignons ou 500 francs d'oignons pour préparer à nos missions. Et malheureusement, on n'a pas assez de, <laughs> mal. Eh, c'est une occasion aussi pour interpeller les hommes augmentés ah. sur les frais de condiment. <laughs> Espérons que ça rentre dans les oreilles des hommes. Hein. Ah, et vivement que la situation soit revue vraiment. Et c'est ici donc euh, que. Oui. Mhm. Les autorités en place, ils n'ont pas le bagou nécessaire mhm. pour imposer. Il faut imposer. Mhm. Il faut sanctionner il faut sanctionner, il faut mettre des mécanismes de contrôle mhm. des prix, n'est-ce pas Parce que tout simplement, on a connu des périodes. Par exemple, tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner ça. Le, Saint-Louis, le sucre Saint-Louis. Oui, le sucre Saint-Louis. Saint-Louis. Euh, le paquet coûte 1800 francs. C'est toujours. Déjà. 1800. Déjà. Alors, céphale ou comment on appelle euh, <laughs> c'est le truc des Indiens là. C'est ça qui fait 1300, 1400, 1500. Ça, ça interpelle vraiment, c'est une situation qui interpelle. On, on mhm. t'en veut le mois de juin. Mhm, on mhm. s'approche. Alors, il n'y aura pas de recul. Ah, ça va C'est une situation qui interpelle vivement donc euh, que cette situation soit euh, maîtrisée, que nos autorités. <laughs> Alors, c'est ici que prend fin ce forum de la presse. Merci. Memouna Diado, journaliste indépendante, Hussein Issa, journaliste indépendant également, et Hassan Boukara, journaliste à la radio alternative. Merci pour vos analyses, commentaires et appréciations. Merci à vous de nous avoir suivis, chers auditeurs ou auditrices. N'oubliez pas le programme des jeunes les samedis et dimanche à 17h avec l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA et les forums en Hausa et Zarma les samedis et dimanches à partir de 18h15. La technique est assurée par Mustapha Ayouba. Je suis fils Adam sur la modération. Bon week-end à tous. Au revoir.